Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Trois sujets au menu de ce forum. Le jeûne du mois de Ramadan débuté le lundi 11 mars par la communauté musulmane du Niger dans tout le pays. Un mois de Ramadan entamé entre cherté de produits de première nécessité sur les marchés et les coupures d'électricité. Ensuite, la demande de l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency internationale Niger, au CNSP d'abroger l'ordonnance 2024-05 du 23 février portant dérogation à la législation relative au marché public aux impôts, aux taxes, à redevances et à la comptabilité publique. Enfin, la visite de travail au Niger d'une délégation de hauts responsables américains. Pour en débattre, j'ai autour de moi Mme Memouna Diado, et les journalistes indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Et Abdoulaye Souana, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Madame Nafisa. Je suis Nafisa Madame Sirfo la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. La communauté musulmane du Niger a entamé le jeûne du mois de Ramadan le lundi 11 mars 2024. Le jeûne du mois de Ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Pendant ce mois, les dépenses augmentent car pour la rupture du jeûne, différents plats sont souvent préparés pour ceux qui ont les moyens. Cependant, selon nos constats sur les marchés de la capitale, les prix de plusieurs produits connaissent déjà une hausse. L'on peut citer le riz, le lait, certains produits frais tels que les gingembre, le citron, pour ne citer que cela. Alors je commence avec vous, Madame Memoune Quel est votre constat sur le terrain c'est le même constat que vous venez de faire, euh, de nous dire à l'instant, c'est que euh, dès la veille même, euh, il faut même pas partir du premier jour du, mois de Ramadan. Dès la veille déjà, nous avons vu qu'il y a certains prix de ces produits-là qui ont augmenté. Euh, d'une manière euh, où tu ne peux pas l'imaginer. Euh, aujourd'hui, euh, non pas seulement le sac de riz, puisque le sac de riz, c'était euh, le ministre du Commerce avait demandé à, ce ceux qu'on vende le sac de riz à 13 500. Mais mhm. j'ai comme l'impression que c'est au niveau des grossistes que ça se vend à 13 500. Mais chez les détaillants, ça continue à être 15 500, 16 000, 17 000 selon, oui, les sacs. Donc, il y a également une augmentation de surtout du, gingembre où euh, il est difficile aujourd'hui de trouver un peu de gingembre pour 200 francs. Il faut 500 francs, voire plus. Donc, il faut que tu débourses 500 francs pour avoir euh, un tas de, gingembre qui, le tas de gingembre avant, c'était pour 100 francs. Mhm. Maintenant, c'est arrivé à 500. Le citron, j'ai appris que ça va de 3500 jusqu'à 5000 la tasse euh, de, citron. Et non pas seulement ça, il y a également les produits de première nécessité, comme tu viens de le dire. Aujourd'hui, la tia de, de maïs, ça fait jusqu'à 850, Alors voire 900 sur le marché. Avant, c'était pas ça le prix. Le prix avant, c'était quelque chose de 700. 700 oui. De 700. Une augmentation de près de 300. Voilà. Donc, euh, ce qui n'est pas du tout normal mais nous savons que nous sommes au Niger et les commerçants et les commerçants attendent toujours ce moment pour pouvoir augmenter sur ces produits et, ils, ne, font pas, ils ne regardent pas le pouvoir d'achat des Nigériens. Nous sommes La faute donc aux commerçants Mais, c'est la faute des commerçants et également la faute à nous-mêmes parce que on s'entête à acheter le produit bien que le produit coûte cher. Donc, alors qu'on peut s'en passer de certains produits qui sont chers aujourd'hui, que le, le, consommateur peut s'en passer. Mm. On n'est pas vraiment, euh, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a euh, euh qui, les, moyens. les, moyens. de s'en procurer, mais il faut faire avec ce que tu as dans ta poche. Il ne faut pas regarder que X peut-être peut dépenser 5000 francs par jour pour se donner du plaisir à la rupture. Il faut également que celui qui aujourd'hui a 1000 francs dans sa poche ou 500 francs dans sa poche mhm. puisse aussi faire la rupture comme bon le semble. Éviter les, dépenses, oui, inutiles. les dépenses inutiles parce que je vois que c'est des dépenses inutiles. Et la majorité des gens qui le font, ce sont ceux d'abord qui sont nantis, qui ont l'argent et qui ne demandent pas de réduction sur les produits. Donc ça, ça revient donc au même prix pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, ceux qui n'ont pas les moyens parce que puisque je vends le gingembre à 500, Nafisa vient acheter le gingembre à 500. Tu ne demandes pas une diminution. Moi, je suis à côté. Je n'ai pas les 500 francs, mais je voudrais bien sûr un peu de gingembre. Donc, ça veut dire que je serai obligé aussi d'acheter ça à 500 parce que ne fils a payé ça à 500. Mhm, mhm, Donc, voilà en fait euh, le constat qu'on peut faire. Alors, Arimi, euh, cette tendance à la hausse des prix euh, des produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan se répète chaque année et les conséquences sont directes sur les consommateurs, comme l'a dit Memouna. Mais où se situent les responsabilités aujourd'hui Merci. En fait, il y a euh, des choses, euh, des, aspects euh, dont nos commerçants et nous-mêmes consommateurs ne tenons pas compte. Mm. C'est qu'il y a les fruits et les légumes de saison. Mm. et le mois de Ramadan, il est tournant. Chaque année, il y a 10 jours à peu près à moins par rapport au, calendrier voilà, voilà, grégorien. Hmm. Ce qui fait que cette année, on a commencé le 11. Probablement, Inch'Allah, si Dieu nous prête euh, longue vie, euh, l'année prochaine, ça sera vers le 1er hmm. euh, du mois de mars. Et ainsi de suite. Ce qui fait que là, cette année, c'est tombé euh, pendant vraiment la, récolte, n'est-ce pas, des euh, cultures de contre-saison. Il y a une euh, disponibilité. oui, il y a une disponibilité. C'est le cas de la pomme de terre c'est le cas de la tomate, du citron, du gingembre. Il y a tout ça en gogo. Mais malheureusement, les malheureusement, le commerçant qui a l'habitude de se frotter les mains, les mains à l'occasion euh, du ramadan, n'est-ce pas, veut euh, maintenir le cap. Et le client qui a l'habitude de consommer euh, tous ces produits-là pendant la saison, ne peut pas s'en passer apparemment, n'est-ce pas Et Vous savez, comme on le dit, toutes les populations ont les dirigeants qu'ils méritent, mais aussi on a les commerçants qu'on mérite. On est tellement fataliste que le commerçant est libre de fixer le prix et on se soumet. Euh, c'est-à-dire, euh, il y a, même dans les quartiers, il y a des choses euh, qui coûtent. les petits revendeurs. Oui, les petits revendeurs. Ils, fixent des prix, mhm. vraiment fantaisistes. Mhm. Or, normalement, dans un, dans un commerce, il y a toujours le rapport entre le prix de revient et le prix de vente. Mhm. Donc là, c'est que tu, tu obtiens ton bénéfice. Ce n'est pas le cas chez nous. Et ça, c'est extrêmement grave. Et nous, Bon, certainement qu'on n'a pas encore atteint le niveau où on ne peut pas, parce qu'avec le sucre, les gens ont quand même euh, changé d'habitude. Mais on le voit à chaque approche ou bien euh, à la veille du ramadan, les autorités rencontrent les commerçants pour euh, leur demander de revoir les prix des produits, mais ce qui n'est pas le cas. tout de suite, même le disait, le riz, le ministre a fixé le prix à 13 500, mais les revendeurs ne le respectent pas. En fait, il y a un message qui n'est pas encore formulé, mhm. c'est celui adressé aux consommateurs. Mhm n'est-ce pas On peut lui dire que voilà tel produit, on peut lui substituer tel autre. Il n'est pas nécessaire, même pour un, euh, euh, quelqu'un qui jeûne, qui jeûne, que ce n'est pas nécessaire de prendre tel produit, que ce n'est pas indispensable pour ta mm-hmm. vie ou mm-hmm. pour la réussite. Il faut que ce message-là soit construit, mm-hmm. parce que euh, la seule victime, en fait, c'est le consommateur final, final c'est nous autres. Et voilà le prix que euh, le, le, le, le, comment on appelle le client mhm. nanti. Euh, moi, je sais que même celui qui est nanti, n'est-ce pas, ah, ce n'est pas avec plaisir qu'il paye au, double du prix qui s'impose. Quelle doit être la responsabilité des autorités aujourd'hui pour vraiment. Pour les commerçants même qui refusent de se soumettre. Ils ont essayé mhm. et on n'est pas apparemment loin de l'échec, mais on n'est pas aussi au Niger à notre coup d'essai. C'est le cas même pour un produit qui est produit par l'État du Niger, c'est le cas du, gaz, mhm. n'est-ce pas On n'arrive pas à imposer le prix, n'est-ce pas, décidé par... Ça, c'est une, euh, vraiment une marque de, de, de, faiblesse hein, de, nos, de nos autorités. Il faut que les gens, j'entends dire, les gens dire non, on n'est pas dans un pays communiste, machin, mais il y a un prix et il faut protéger aussi le consommateur. L'arbitre, normalement, à la matière, c'est l'État. Une hausse des prix des produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan qui se répète chaque année, des responsabilités partagées entre les commerçants, les autorités. Vous, Abdoulaye, vous êtes journaliste indépendant. Euh, quelle est votre euh, perception de la situation aujourd'hui Bon, la situation, c'est que pratiquement à ces occasions de musulmanes, notamment fête de le Ramadan et la Tabaski, c'est une, offre une euh, occasion pour euh, les commerçants, les revendeurs de renchérir euh, leur prix des produits à la, à la hausse. Mm. C'est une tradition, c'est pratiquement devenu une période de, de traite pour eux. Maintenant, ce qu'il faut un peu se dire, c'est que Aïmi vient de dire, que fait l'État dans ce cas d'espèce dans ces conditions pour protéger le consommateur. A priori, jusqu'à cette date, au moment où nous sommes en train de parler, il n'y a aucune mesure vis-à-vis des, consommateurs. À part l'appel, à part, l'appel aux commerçants, revendeurs du riz de fixer, de, laisser le sac à 13 500, aucune communication Non, à, mon sens, hein, aucune communication à date. Hein. et j'ai cru comprendre d'ailleurs même dans ce cas de figure que les, les, les syndicats des transporteurs, des, importateurs, euh, exportateurs, euh, importateurs, exportateurs, grossistes, avait voulu en son temps que euh, qu'il y ait une rencontre en amont, n'est-ce pas, pour pouvoir harmoniser et fixer les prix que l'État doit peut-être doit pouvoir imposer aux, commerçants. Ça n'a mmh, pas mmh, été mmh. le cas. C'est une décision unilatérale du, ministre de la du, commerce, hein, commerce. Donc Maintenant, les données sont claires, hein. chacun va de son alpha, chacun va de son prix et en fonction des, des quartiers également. Mhm. Moi, je me rappelle plus qu'hier seulement, à quelques 30 mètres d'une boutique à une autre, j'ai constaté une hausse de 50%, de, 50 francs CFA sur euh, le quart de, de, sucre, par mhm. exemple. Voilà. Mais comment vraiment euh, arriver au bout de cette situation vraiment qui se répète chaque année ah. Quelle doit être euh, l'implication de tout le monde, les autorités les... Non, l'implication d'abord incombe surtout au, pouvoir, <laughs> à l'État, n'est-ce pas C'est à lui, n'est-ce pas, de prendre toutes les dispositions. Vous imposez un prix, les gens ne les respectent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a des mesures, il faut sanctionner. et, je crois que... Les sanctions n'existent pas à la date d'aujourd'hui Les sanctions existent, mais qui, qui, est sanctionné L'application, c'est ça que le, le problème. Mm. Je vois à la télé, par exemple, ces derniers temps où on part, on regarde, on, pèse le, le, sac de riz pour voir est-ce que c'est le poids mm, qui est mm, respecté. Machin. Non, il faut aller au-delà. Il faut saisir, il faut euh, verbaliser toutes les sanctions qui sont prévues par la loi et pour que ça fasse à euh, école et que ça soit pédagogique. Armie, apparemment, vous vouliez réagir. Je voulais, je voulais dire que on ne doit pas à chaque fois attendre le moment pour essayer de trouver des solutions. Mm-hmm. Euh, c'est une question, euh, ça se passe, pose sur un mois chaque année. C'est quand même 1 sur 12. souvent, les prix montent et ne redescendent plus jamais, mhm. je crois qu'il doit y être mené une réflexion de fond, mhm. n'est-ce pas, qui doit décider s'il y a des commissions, des comités à mettre vraiment en permanence et des, des, des, des services qui vont même contrôler le prix, qui, vont sillonner, qui vont entretenir le dialogue avec les fournisseurs, avec les acheteurs, ainsi de suite. Mhm. Et euh, quelque chose qui nous manque beaucoup dans ce pays, c'est vraiment les, euh, les associations de défense des, droits, des consommateurs. Ça ne marche absolument pas, on ne les sent pas sur le terrain. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Oui, outre, je disais, cette question de la hausse de prix des produits de grande consommation pendant ce mois, la population de la ville de Niamey environnante fait face aussi à des coupures d'électricité et notons que selon le directeur régional de la Nigélec de Maradi, la Nigélec est de nouveau reconnectée à la ligne électrique du Nigeria depuis fin février 2024, cela euh, suite à la levée des sanctions de la CDAO contre le Niger intervenue le 24 février dernier. Mais comment comprendre cette situation des coupures intempestives Je reste toujours avec vous, Harry. Oui, euh, en fait, en tout cas, l'étonnement euh, qui est de mise, euh, parce que la période, les sept mois qu'on a passé sous sanction de la CDAO, où le Nigeria a interrompu sa fourniture d'énergie, on, le, premier mois, peut-être à partir du 26 jusqu'au mois d'août, on a un peu senti, mais après, on a été si résilients que il n'y avait il y a des jours des jours même parfois mhm. sans, sans, sans, coupure mhm. et voilà que ça reprend le de plus belle du Niger avait pris le relais voilà et ça a marché n'est-ce pas je ne sais pas est-ce que euh, dès que le Nigeria a ramené la Nigélec a mis de côté, euh, c'est vrai que ça devait coûter cher, hein, mhm, tous on le sait, mais on n'est pas un pays producteur. On a déjà essayé de trouver des solutions qui sont nôtres, ces solutions-là ne, doivent pas, ne doivent pas être complètement écartées. Mhm, mhm. Surtout que nous sommes maintenant pendant la période de pic. Avril, euh, on est en mars, mais avril va venir. Mais mhm. oui, la demande est très grande parce que il fait extrêmement chaud, il faut de l'eau froide, de, de, l'eau fraîche, mais il faut aussi euh, rafraîchir euh, l'environnement de travail, l'environnement familial, tout ça. Et donc, moi, je pense que euh, la Nigelec doit encore remettre la main dans la poche parce que je sais que c'est cher n'est-ce pas euh, L'État doit accompagner parce que euh, on est à une période où plus ou moins c'est nous qui produisons mhm, aujourd'hui mhm. le carburant, mhm, n'est-ce pas Il faut que si on n'a pas la réduction des prix, au moins que sur ce plan-là, qu'on ne soit pas vraiment soumis à des coupures euh, qui désarçonnent les gens. Aujourd'hui, les gens sont, sont perdus. Hein. J'ai vu maintenant tout à l'heure, il dit, mais nous, on n'a pas dormi. Mais personne n'a dormi. Effectivement. Personne n'a dormi. Entre coupure d'électricité et coupure d'eau aujourd'hui, mais que dire sur cette situation C'est ça la, situation. En fait, c'est quand je fais le constat, c'est chaque année. Chaque année, ça, se répète, Chaque année, on attend euh, une période de canicule et qui coïncide cette année avec le jeûne. Mhm. Et vous voulez vous passer tout votre temps entre coupures et, coupures euh, d'électricité, euh, fourniture d'eau. Mhm. Il n'y a pas dans certains quartiers. Il y a des quartiers où c'est pratiquement quand on coupe le courant, il faut le lendemain pour ramener le courant. Mhm. mais regarde Mais regarde, ça si moi je suis en bonne santé, et, mais les personnes qui sont pas en bonne santé, mhm, mhm. et les hypertendus, et les enfants, les vieillards, ils vont faire comment Parce qu'aujourd'hui, rien que la journée, il fait tellement chaud. La nuit, la nuit, la nuit également, ça varie jusqu'à 40 degrés. Et mais 40 degrés, 22 heures, on vous coupe le courant, on vous ramène le courant vers 2 heures ou 3 heures du matin. Et le lendemain, ça se répète. Mhm. Mais il n'y a pas de communication. Mhm. C'est qu'aujourd'hui, la Nigélec même n'arrive pas à communiquer avec ses, ses, abonnés, mhm. qui sont les Nigériens. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand il y a une facture qui n'est pas payée, la Nigélec ne va pas te pardonner même une oh. seule journée pour que tu puisses trouver l'argent pour aller régler Et ta Armi le disait aujourd'hui, on a des centrales thermiques qui ont pris le relais, on l'a vu euh, au lendemain du coup d'État, mais aujourd'hui, euh, s'ils n'arrivent plus à. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à expliquer, mhm. nous-mêmes les Nigériens, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au mhm. niveau donc, de mhm. la Nigérie. Si nous avons pu fonctionner avec nos propres moyens sept mois durant, et aujourd'hui on nous annonce que euh, avec euh, la ligne, du Nigeria, qui a repris, avec le Niger, ça devrait soulager, quand même les Nigériens, mais faire une souffrance plusieurs catégories de souffrance. Moi, je me dis que vraiment, la Nigélec doit sortir. Et j'ai vu, il y a deux semaines de cela, la ministre de l'Énergie a fait oui, un tour d'inspection. Oui, oui, et avait assuré mhm. qu'il y aura la fourniture de l'électricité continue, mhm. en mhm. tout cas pour tous les Nigériens. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que au lieu de rester et de ne pas communiquer, sortez pour communiquer, pour pouvoir au moins soulager les Nigériens, pour qu'ils sachent sur quoi ils sont. Effectivement. La Nigélec doit communiquer aujourd'hui. Euh, vous, Abdoulaye, euh, comment la situation peut se stabiliser aujourd'hui ah, face à la souffrance de ces jeunes pendant Comment ce mois. stabiliser la situation Ça, c'est la Nigélec qui a le <laughs> secret. <laughs> la Nigélec. Maintenant, la Nigélec ne communique pas. On l'a constaté durant les sept, les, sept, les précédents mois, comment la Nigélec a pu gérer la situation pour mettre un temps soit peu la population euh, ah, à l'aise. Maintenant, à quand j'ai vu à la télé la ministre faire de, la, visite au, niveau des centrales mhm. euh, de Goro et elle même, ce qui m'a un peu surpris dans son, lors de sa visite, c'est qu'elle s'était intéressée à la salle de délestage. Mhm. Qu'est-ce que oui, oui, oui. justement, moi, ça m'a, ça, m'a fait. Elle a relevé également qu'il n'y a qu'un seul groupe qui ne fonctionnait pas, mais qui était en réparation, mais que les autres euh, pouvaient prendre le relais. Oui, donc a, priori, il y a pas, rien ne pourrait euh, justifier aujourd'hui cette euh, cette interruption, ces mhm. coupures intempestives que mhm. nous, nous vivons, mhm. surtout depuis le démarrage de, du mois de Ramadan. Donc la Nigelec doit sortir de sa réserve pour compliquer expliquer aux populations, voilà quest pourquoi, ça, pourquoi ça ne marche pas. Mhm. Et de faire amende honorable également, parce qu'il n'y a pas ça au Niger. Il faut s'excuser. Mhm. Ça ne va pas. On dit, bon, voilà les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'assurer de, la fourniture euh, normale, quotidienne. Alors, euh, oui, rapidement pour clôturer fait, euh, on nous a fait savoir aussi qu'il y avait la centrale thermique, mhm, n'est-ce pas, solaire n'est-ce pas, qui avait été euh, mis en marche pendant la sanction et que c'est cela qui permettait à Niamey d'être plus ou moins mhm. autonome. Mhm. où, quels sont, où, sont les effets aujourd'hui de cette centrale-là J'étais à Maradi récemment, mhm. il n'y avait pratiquement pas coupure un peu avant la levée ah des sanctions et on disait que Maradi était connecté à Soraz, n'est-ce pas euh, Apparemment, ce n'est plus le cas. Le ministre Barquet était à Agadez, n'est-ce pas, pour soi-disant relancer euh, le, truc de la Sonichar. Mhm. Tout ça, on dirait qu'on laisse tomber dès que euh, le Nigeria euh, revient. Donc, mhm. c'est ça qui n'est pas Merci. donc, aux autorités de prendre toutes les dispositions d'abord pour réguler les prix des produits de grande consommation pour qu'ils soient accessibles à tous pendant ce mois de Ramadan et aussi revoir la situation de, cette, de la fourniture d'électricité pour vraiment alléger la souffrance des jeûneurs pendant ce mois de Ramadan. Nous allons observer une courte pause. Parlons diplomatie dans cette deuxième partie de ce débat. Le secrétaire d'État la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines Molly Molifi, accompagnée de la secrétaire adjointe à la défense pour les affaires de sécurité internationale Céleste Wallander et le commandant de l'Africom, le général Michel Michael Langlais, séjourne au Niger depuis le 12 mars 2024. Selon le département d'État américain, cette visite a pour objectif de poursuivre les discussions engagées depuis août avec les autorités du CNSP concernant le retour du Niger sur la voie démocratique et la venu du partenariat bilatéral en matière de sécurité et de développement. Abdoulaye, quelle autre précision avez-vous sur cette visite euh, de la délégation américaine au Niger Oui, la délégation américaine est venue effectivement pour rencontrer les autorités du Conseil national de la sauvegarde de, la, patrie, pour, euh, dit-on, relancer la coopération et également plaider en faveur du retour de notre pays à l'ordre constitutionnel, normal. Euh, il me semble que la délégation a eu à rencontrer, c'est pas qu'il me semble, la délégation a même rencontré par deux fois le, premier, ministre mhm. qui les a rencontrés en présence euh, du, ministre de la Défense euh, de notre pays, Salif Moudi, le général Salif Moudi, mhm, mhm. le général Mohamed euh, Tomba, le ministre des Affaires euh, étrangères, un certain nombre de, membres du gouvernement mhm. côté, côté nigérien. Donc, deux rencontres successives pour pouvoir essayer de repartir sur des nouvelles bases, étant donné que avec l'avènement du CNSP, les autorités sont dans une nouvelle euh, dynamique, une nouvelle mhm. vision mhm. de partenariat euh, gagnant, gagnant et de révisiter, n'est-ce pas, tous les textes existants déjà dans ce, au niveau avec les différentes. Et rappelons que Washington même avait suspendu sa coopération avec le Niger après le coup d'État du 26 juillet. Justement, mhm. justement, Washington avait suspendu et la reprise euh, de certaines coopérations concernées uniquement l'aide euh, hum, humanitaire, je crois bien. Mhm. Et ils ont conditionné, n'est-ce pas C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la visite, n'est-ce pas, par deux fois de mhm. cette euh, délégation de haut niveau pour la reprise de, partenariat avec de la coopération avec le Niger, notamment à travers d'abord un calendrier, un chronogramme de la, euh, de la transition que, que le, le, le, auquel les Américains eh, tiennent. Mhm. Donc, comme condition pour pouvoir reprendre leur euh, coopération. Et également le, partenariat stratégique euh, militaire. Mhm. Alors, pendant deux, à deux reprises, n'est-ce pas, la délégation américaine a eu à travailler avec la partie nigérienne mhm. et proroger Prolongé de 24 heures, n'est-ce pas, cette, euh, son, séjour dans l'espoir, n'est-ce pas, de rencontrer le, le, chef de l'État, le, mhm. le, général euh, Abdraman euh, Chani, mais qui était resté sans, sans suite. Oui. Alors, cette délégation a dû repartir hier, hier 14 mars, mhm. n'est-ce pas et le point de presse ou la conférence de presse qui était prévue, le mercredi, n'est-ce pas, pensant que les négociations allaient finir et puis mhm. voir un point de presse pour dire voilà ce sur quoi nous avons discuté, voilà ce mhm, sur quoi mhm, nous s'est entendu, voilà ce que nous allons faire, etc. etc. Cette conférence de presse a été euh, suspendue. Donc aucune communication au sortir euh, des échanges avec le Premier ministre. Mm-hmm. Oui, à cet instant précis, en tout cas, mm-hmm. aucune communication ni du, ni du côté ni du côté nigérien ni du côté américain. Maintenant, c'est la place euh, aux spéculations. Qu'est-ce qui a fait que on peut estimer déjà que c'est un échec de mhm. ces mhm. de, de, négociations Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui n'a pas marché D'accord. Les États-Unis avaient annoncé être prêts à reprendre leur coopération avec le Niger à condition que le régime militaire arrivé au pouvoir à fin juillet s'engage notamment à une transition courte. Et voilà que cette délégation n'a pas pu être reçu par le, le président du CNSP. Euh, selon Abdoulaye, c'est un échec Arimi, les échanges. C'est un échec, mais euh, en fait, euh, c'est le comportement même des Américains, moi qui m'étonne. C'est-à-dire Parce qu'ils soufflent le chaud et le froid. Euh, oui, on sait que par principe, ils sont attachés à la démocratie. Quand il y a rupture euh, de processus démocratique dans un pays, souvent ils s'en vont. Euh, mais pour ce qui est du Niger, apparemment, ils s'attachent aussi à y être. N'est-ce pas Et Vraiment, moi, les, tergiversations, les hésitations euh, qui ne s'expliquent pas, vous quittez, vous dites que vous n'avez pas quitté, on nous a montré à la télévision que même les militaires vont s'en aller. Mhm. Après, on dit non, ils ne vont pas s'en aller, que la base d'Agadez est là, qu'il y a plus de 1000 militaires euh, encore là-bas, base euh, de drones, ou comment on nous l'explique. Mhm. bon, écoutez, moi, je pense que il faut assumer parfois euh, ce qu'on veut surtout en matière euh, diplomatique, mhm. dans un contexte comme celui euh, du Niger et surtout comme celui de l'AES, je dirais. Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé au Mali n'est-ce pas, ce qui se passait euh, au Burkina. Mm. Et normalement, ils doivent prédire, prévoir les choses et dire, mm. écoutez, on assume, il y a eu coup d'État, mais on reste, puisqu'on choisit de rester au Niger. Le Niger, c'est stratégique pour nous, tout le monde le sait, mm-hmm. que le Niger, la position euh, géographique, la position stratégique, mm-hmm. euh, comment, comment, comment on appelle, et, voilà, géostratégique du Niger est très euh, intéressante pour toutes les puissances, on le sait. La France a fait des pieds et des mains, ça n'a pas marché, elle s'en est allée, mais elle devait tirer, les Américains aussi devaient tirer les leçons et se dire, écoutez, euh, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mm, Il y a quelque chose sur lequel on doit euh, s'arrêter, même si on va faire prévaloir nos principes par la fin. Mais vous arrêtez, vous, vous partez, vous revenez, vous voulez rencontrer le président, mais eux aussi ils ont la pression. Nous, mhm. on, est déjà, euh, on pense que ça, les choses, les lignes ne bougent pas et ils doivent faire avancer des choses sur le plan démocratique. Mhm. Quand est-ce qu'il y aura euh, des élections Tout ça, les Nigériens aussi s'attendent à mhm. ça. Mais Donc, où vous restez, mais oui. Il parle de coopération, de reprise de la coopération nigéro-américaine, mais dans quel domaine même cette coopération doit être effective mais Écoutez, ils euh, financent beaucoup de projets dans notre pays, n'est-ce pas Notamment leur projet MC ici, n'est-ce pas, qui est vraiment très importante. Euh, à seul déjà, ça équivalait pratiquement à tout le financement européen. Mhm. Euh, ça, c'est important, mais aussi au plan militaire, ils pensent qu'on peut, qu'ils peuvent encore collaborer et aider euh, le Niger, mais aussi le Niger doit accueillir leur base euh, aérienne, mhm. n'est-ce pas C'est l'une des plus importantes, semble-t-il, euh, dans la zone. Mhm. Et donc, c'est tous ces aspects-là, mais il y a beaucoup, tellement de, non-dits, mhm. et il faut savoir que les Américains ne veulent pas que le russe s'installe au Niger. C'est des ça, euh, euh, comme oui, on le dit. Oui, ça c'est non, c'est même comme ça. Et <laughs> là, au Mali, il a suffi que les Russes mettent le pied mhm. pour que eux s'en aillent. Et on connaît depuis 60 ans. Euh, depuis la fin de la première, deuxième guerre mondiale, on mhm, sait que c'est mhm. comme ça. il faut malheureusement, les gens aussi parce qu'on était déjà, de toutes, tous les 60 ans qui sont passés, on était mhm. déjà avec les États-Unis. Mhm. Aujourd'hui, dans le cadre du changement, les États de l'AES, d'une manière ou d'une autre, sont en pourparler, n'est-ce pas, avec les Russes. Et donc, c'est tous ces aspects-là. Moi, je pense qu'ils tergiversent les, les Américains et ça leur coûte cher. Alors, Memouna, un mot sur cette euh, visite de la délégation américaine euh, au Niger euh, qui, semble-t-il, n'a pas pu être effective car aucune communication <laughs> ça, ne pourrait pas être euh, effective euh, la rencontre euh, de cette délégation. Il fallait s'attendre que cette délégation ne puisse pas voir le chef de l'État. Pourquoi Puisque ils sont, cette délégation est venue sur des principes. instaurer la démocratie rapidement au Niger et la coopération bilatérale et nous savons que dans les interviews euh, du président, euh, du chef de l'État, il a toujours dit aucun pays ne va venir, en tout cas, euh, forcer le Niger à aller vers une transition rapide. Mhm, mhm. Alors qu'ils ont demandé une transition courte. courte, c'est le choix des Nigériens. C'est les Nigériens, c'est avec les Nigériens que nous allons nous asseoir et ça viendra des Nigériens. Mhm. Le nombre d'années, le nombre de mois pour la transition. Mhm, mhm. Donc, il, il n'est plus question pour le président, pour le chef de l'État, que le Niger soit un béni, oui, oui, mhm. dans notre pays. Donc, c'était en fait, euh, euh, déjà, je me dis que en amenant cette histoire d'aller de, d'aller vite pour, ce que, euh, pour la transition, une transition rapide, la délégation avait déjà échoué. concernant la coopération bilatérale, mais le Niger n'a pas suspendu sa coopération avec les, les, Américains. C'est les Américains eux-mêmes qui ont décidé, qui ont décidé après le coup d'État de s'en aller, mhm. de mettre fin à certaines coopérations. Mhm. Donc là également, je sais pas au Niger, le Niger n'a pas demandé à ce que vous vous quitté. Les prochains jours nous dirons plus vraiment sur la suite de cette. Et je euh, suis sûr mhm. sûre que c'est tout simplement parce qu'ils ils, voient déjà peut-être planer <laughs> cette histoire de Russie, cette histoire de Russie. Donc ça les arrange spéculations, c'est des spéculations. Mais je hein. pense que les Américains, cette délégation finira un mhm. jour à mhm. rencontrer le Alors, les prochains jours, euh, nous dirons plus. dernière partie de ce débat, l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de transparence internationale du Niger, dénonce dans un communiqué l'ordonnance 2024-05 du 23 février 2024 du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie portant dérogation à la législation relative aux marchés publics, aux impôts, aux taxes, à redevances et à la comptabilité publique. Selon l'ANLC, cette ordonnance a prise sans aucune consultation ni concertation avec les acteurs concernés constitue une grave atteinte au principe de transparence. Elle demande au CNSP son abrogation pure et simple. Mais Mouna, qu'en dites-vous ah, Moi, je pense que euh, Transparence internationale est dans la logique. Euh, de demander l'abrogation de cette loi. Parce que tout simplement, c'est euh, l'ONG ou bien non, c'est la structure défend en tout cas les intérêts des populations. Les intérêts. Quand on dit transparence internationale, section du Niger, ça mhm. c'est-à-dire que tout ce qui doit se faire, ça doit se faire dans la transparence. Mais qu'est-ce qui a motivé, selon vous, le gouvernement à adopter ou bien cette ordonnance ah, ça, <laughs> c'est, je ne saurais me hasarder à mhm. dire pourquoi le gouvernement s'est en tout cas euh, décidé à euh, décider à aller vers euh, cette loi-là, mm. c'est parce que moi je me dis que bon, d'un côté, l'État a réfléchi sur la base que peut-être ça pouvait alléger. les Nigériens sur certaines taxes, les marchés publics, les mm. que on devrait alléger les énormes dépenses qui tournent autour euh, donc euh, de ces marchés publics là mhm, mhm. et surtout du côté des impôts où c'est des tracasseries où il faut payer ceci, il faut en tout cas même avec ce que tu dois payer en temps normal aux impôts, il faut il y a des timbres, il y a des choses mhm. qui en tout cas viennent alourdir le montant. Moi, je me suis dit que c'est peut-être pour alléger que le gouvernement est parti dans ce sens-là. Justement, selon l'ANLC, cette ordonnance confère aux autorités le pouvoir à discrétionnaire de passer des marchés publics sans appel d'offres ni contrôle préalable, de dispenser certains opérateurs économiques du reste connu de tous du paiement des impôts, comme l'a dit Mémoune et Redevance, et de soustraire certaines dépenses publiques au contrôle des services compétents et des citoyens. Alors vous, Armi, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette euh, ordonnance euh, prise par le CNSP sur euh, la dérogation mhm. ce n'est pas opportun en ce sens que euh, ce qu'ils ont avancé en venant au pouvoir, eux-mêmes, euh, nos généraux de, du CNSP, c'était le manque de transparence, c'était euh, la corruption, c'était ils ont beaucoup évoqué ça dans leur communication de tous les jours, notamment avec le régime du président Issoufou et celui du président Bazoum, n'est-ce pas Mais aussi il ne faut pas savoir que tout ce qui a précédé euh, cette intervention de nos militaires, euh, c'est l'affaire MDM notamment, n'est-ce pas, et euh, qui a été révélée un peu accidentellement ou incidemment, on va mhm. dire, mhm. n'est-ce pas, parce que il y avait un ministre qui est venu, qui ne voyait pas clair, qui a demandé un audit, et voilà ce qui s'est révélé, mhm, n'est-ce pas Et donc, on est sur nos gardes actuellement au Niger, et on ne peut pas retomber n'est-ce pas Parce que il ne sert à rien, c'est de prévenir. en matière de corruption, c'est de prévenir. Parce que quelle que soit ton efficacité, après, tu ne peux pas récupérer ce qui est perdu, le dommage qui est causé. Or, la transparence, c'est ça qui permet vraiment de prévenir mhm. que les gens donnent le marché à qui ils veulent, qu'ils achètent euh, du matériel défectueux, n'est-ce pas oh, Il n'y a pas ce qui n'a pas été dit avec l'affaire. On nous a dit que nos militaires avaient des fusils qui ne peuvent même pas tirer, que c'est des vieux trucs qu'on a réformés pour nous amener. Tout ça au prix de neuf. Mais cette ordonnance aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pas Et donc, normalement, euh, le CNSP devait mettre ça euh, de côté. Moi, je suis très d'accord avec la NLC qui mhm. demande vraiment l'abrogation euh, de cette ordonnance-là. C'est de mettre ça de côté quitte à quelqu'un d'autre, s'il revient, de reposer le débat. Il va dire, voilà, voilà. Mais vous qui êtes intervenu, justement, entre autres, pour, euh, à cause de la transparence qui ne prévalait pas dans le pays, vous ne pouvez pas euh, encore revenir proposer euh, ça malheureusement, ils n'ont pas communiqué aussi, mmh, mmh, mmh. n'est-ce pas Parce qu'une telle décision mérite vraiment une communication, une explication. au public dès lors qu'on n'a pas une assemblée, on n'a pas, voyez-vous, les partis politiques ne sont pas là pour dénoncer et tout. Et donc, c'était de communiquer pour dire, voilà, pour telle raison, nous décidons vraiment que désormais nos marchés soient euh, mais vous pouvez être euh, sûr que ça sera fait dans les règles de l'art. Or, vraiment, ce qui est dit, c'est que bon, tout ce qui, qui concerne. Or, c'est des véritables budgets. Hein. c'est mm-hmm. vraiment beaucoup d'argent, le, budget euh, de la sécurité, marchés de, publics, les marchés publics euh, mm-hmm. liés à la défense et à la sécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment des sommes euh, astronomiques. Mm-hmm. Et donc, à cela, il faut ajouter les dépenses liées au palais n'est-ce pas, et autres. Donc vraiment, moi je pense que il faut la NSC a tout à fait raison, c'est mhm. leur parce que ça échappera à tout contrôle. Et euh, pour les marchés publics, le, mieux, vraiment, c'est de respecter les règles qui ont été édictées par mhm. l'État. Mhm. Mais si, euh, pour le tiers de nos dépenses ou vraiment le quart de nos dépenses, on peut se permettre de, que des personnes peuvent donner oui, on a confiance, mais ça n'exclut vraiment pas le contrôle. D'accord, mais vous, Memouna, aujourd'hui, êtes-vous aussi d'avis que l'ANC demande l'abrogation de cette loi, est -ce la, euh, de cette ordonnance Est-ce la solution Oui, je pense que, comme l'a dit Armi, hein, je suis totalement d'accord avec la NLC, avec euh, Transparence Internationale, puisque déjà, je, t'ai dit, c'est une structure qui se bat pour la transparence et c'est une structure, en tout cas, qui est contre la corruption. Et dans les marchés, dans ces marchés de, de, de, de gré à gré ou de, de, de, de, passe-droit, il peut y avoir beaucoup de choses qui mm. peuvent euh, se faire mm. à, à l'insu donc des Nigériens. Donc, voilà, moi, je me dis que vraiment, c'est une bonne chose. Mhm, mhm. Et euh, en temps normal, en temps euh, voulu, Peut-être que euh, si le, gouvernement a eu le temps peut-être de les écouter aussi, mhm, mhm. ils ont beaucoup de choses à argumenter, beaucoup de choses à, montrer au, gouvernement pourquoi ils, ils, ils, euh, demandent, l'abrogation de cette loi. Mhm, c'est tout à fait normal. Il faut protéger les Nigériens, il faut protéger les ressources de ces Nigériens. Et, il faut également, parce que on ne peut pas continuer à aller dans euh, la même chose quand on veut changer les choses. Il faut Attribuer également des marchés oui, oui, parce que ça a été toujours euh, un casse-tête pour les Nigériens, ça a mhm. été un problème pour les Nigériens avec l'autre régime dans ce cas. Pourquoi tomber encore dans cette situation mhm. de d'attribuer des marchés et qui ne sont pas conformes mhm. à la loi C'est pas du tout bon. Alors vous, Abdoulaye, pour terminer, comment l'État doit s'y prendre davantage pour contrôler ce secteur qui est ce secteur des marchés publics, les offres publiques, les dépenses publiques Comment il doit s'y mettre davantage Non, mais il faut respecter les, textes, tout simplement, les faire euh, appliquer. C'est tout. Mhm. Il y a les textes sur euh, la passation des, des marchés publics. On sait que les marchés publics, l'attribution des marchés publics, euh, c'est c'est ça qui qui un peu qui divise généralement les, régimes, mhm. n'est-ce pas Or ici nous sommes dans un régime de euh, transition militaire, donc euh, elle doit se donner tous les moyens pour faire respecter, n'est-ce pas, donc euh, l'attribution des, marchés dans la transparence mhm. surtout. Mhm. Éviter l'opacité que, n'est-ce pas, décrit Transparency International. Merci donc, euh, merci. Alors, euh, nous sommes au terme de ce débat du Forum de la presse de ce vendredi 15 mars. Nous remercions à nos invités, Madame Memona Diado, journaliste indépendante, Arimia journaliste à la radio alternative et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes les vendredis dès 17h avec l'actu des jeunes, suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zerma à partir de 18h15 la technique est assurée par Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.